Notre première attente euh, du nouveau président français, ce qui se passe en France, qu'ils le veulent aussi pour les autres pays, c'est-à-dire l'expression de la démocratie la plus plurielle possible. Donc elle veille au respect par ses partenaires africains des droits de l'homme et des principes démocratiques comme ça se passe chez eux où il y a alternance de temps en temps au pouvoir. C'est cela que nous attendons du nouveau président français. Donc nous n'avons pas de choix, de préférence pour un candidat ou un autre, mais notre souhait, c'est de voir à la tête de la France un président qui respecte la souveraineté de notre pays, un président qui veut pour notre pays ce qu'il veut pour la France, c'est-à-dire un État démocratique au service exclusif de son peuple.